JF, fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre dernier rendez-vous de cette euh, semaine de votre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Salamatou Kadri et à mes côtés, Mariam Adey. La technique est assurée par Saini Isaka, Fanta Chamsou et à l'édition. Mariam, bonjour, comment tu vas Ça va bien, Sali, et toi Super cool. Sur quoi portera notre menu d'aujourd'hui sur le Niger sur nous, nous vous proposons diverses rubriques allant du Flash Info, la revue des presses. Pour le Code des régions, nous irons à Gadez. Il y aura également du sport, de la culture linguistique, plusieurs rubriques pour agrémenter votre journée. Tout ceci dans une ambiance musicale. Et pour terminer, on va écouter les messages de nos auditeurs. Chers auditeurs, dans la rubrique Entretien, nous allons à la rencontre de Garba Boutchouchou, chef de griot du Damergou. Chers auditeurs, nous vous invitons à suivre notre flash info avec Rafika Aktahera. Bonjour Rafika. Bonjour Mariam. Quelles sont les nouvelles de ce matin Alors pour ce matin, la direction de la police judiciaire de Niamey a présenté hier jeudi 20 juillet à la presse une bande de malfaiteurs spécialisés dans les vols de nuit par effraction en réunion dans la capitale, rapporte le site d'information de la police nationale. Cette bande est composée de plusieurs délinquants subdivisés en trois sous-groupes de 6 à 7 personnes qui se dispersent à travers la ville de Niamey la nuit pour opérer. Huit des délinquants précités tous de nationalité nigérienne ont été interpellés selon la police judiciaire qui précise que ces malfaiteurs, excusez-moi, circulent à bord de deux taxis et des motos. Les boutiques et les commerces généraux non bien sécurisés constituent leur cible potentielle qu'ils défoncent la nuit à partir de 2 heures du matin. Poursuivant sa visite de travail à Tawa, le président de la République, Mohamed Bazoum, a inauguré hier, mercredi, hier jeudi 20 juillet la route de Tawa-Tabalak récemment réhabilitée. Longue de 50 km, le financement du projet s'élève à plus de 28 milliards de francs CFA grâce à un partenariat public-privé. Sur le plan environnemental et social, plusieurs travaux connexes sont, en été réalisés, notamment 21 blocs de deux classes avec latérines et forage, murs de clôture pour l'ensemble des écoles se trouvant dans l'emprise du projet, une villa de passage à Tabalak, un éclairage public au niveau de toutes les agglomérations traversées, des forages équipés pour le besoin en eau de la population. Enfin, le secrétaire général du ministère de l'Énergie, Bala Mohamed Rabiou, a présenté hier à Niamey l'ouverture officielle de l'atelier régional de lancement de l'élaboration de, de la stratégie stratégie régionale d'hydrogène vert et des plans d'action 2023, 2030, 2031, 2050. Cette activité a été organisée par le Centre régional des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique de la CDAO et vise à valider la méthodologie d'élaboration de la stratégie et des plans d'action correspondants. Pour rappel, le e est une institution régionale spécialisée de la CDAO en charge de la promotion de l'énergie durable en Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information de ce 21 juillet 2023. Merci Rafika pour toutes ces informations. Chers auditeurs, comme invité ce matin, nous allons à la rencontre de Gerba Boudoutou, chef du Grio du Morgou. Effectivement, Mariam, c'est le chef du Damergou, le chef des griots du Damergou. Mais avant d'écouter de, l'entretien, chers auditeurs, voici notre première balade musicale qu'on vous fait kiffer sur le dernier son de MDM Crew. Le son, c'est Monster. Marou, Ah, comme il musical. C'est moi qui mène la danse, mais you know that's true. Comme Timbaland, la constance au rendez-vous. On déchire le beat comme des fous. Appelle-nous les monstres levés. Toujours au top dans ce game. Dans le moment de paix ou de guerre. On reste debout comme des vrais soldats. Appelle-nous les monstres du bon temps, je m'aime pas le temps. Chers auditeurs, ont prévu, notre invité du jour est là. Il s'agit de Soul du groupe MDM Crew. Soul, bonjour. Bonjour, comment vous allez Alhamdulillah, ça va. Et maintenant, on vient d'écouter le son Monster. Ouais. ouais. la dernière sortie. Voilà, qui a fait à peu près 6000 vues sur YouTube. C'est du lourd quand même. Oui, malgré même, euh, on n'a pas fait la, la promo du son, on l'a balancé comme ça par surprise parce qu'on est en plein concours et tout, donc on n'avait pas eu le temps de, promouvoir le, titre et tout, mais quand même ça, ça pris. Ça, ça parle de quoi Monster, c'est en réalité, on est en train de. C'est un peu de l'ego trip. On, essaie de faire comprendre que, genre, seul le travail paye. Après plusieurs années, plus de 20 ans de carrière, et à chaque fois, il y a une attente derrière. Et MDM, les fans sont toujours à l'attente sur des trucs. Euh, sortaient de gauche à droite. Donc, euh, c'est, on a compris que chaque artiste, quand tu vois dans le temps, les, les artistes, ils font 2-3 ans et c'est fini. Mais nous, 20 ans, ils sont toujours là, à attendre la sortie et truc Donc, c'est, une façon de leur dire merci, de leur dire et dire aux autres que c'est le travail qui, qui donne ces genres de fruits, quoi. Ok, d'accord. Mais MDM, là, c'est quoi même le nom MDM MDM, au début, c'est méthode la morale. Mais ok, ça a toujours changé selon le feeling et tout. Donc, mais le vrai sens, c'est méthode de la morale, une manière de, véhiculer des messages, de, conscientiser et de donner un peu euh, plus euh, euh, les, bonnes choses pour, pour, pour, les jeunes et tout. Alors, Soul, dites-nous, est-ce que vous avez changé le nom et la configuration du groupe le nom, le, le nom, il reste toujours MDM, mais la configuration a toujours changé selon l'album, selon la vision de, comment on veut donner les choses. Parce que chaque album, on, a une direction, on a un objectif à atteindre et tout. Donc, euh, selon toujours euh, la conception de l'album, on a toujours essayé de changer euh, la définition de, MDM. Et MDM a combien d'albums à son actif actuellement Oh, c'est 6. Voilà, c'est le septième qui est là, dont on a annoncé même le tout dernier, peut-être. Ah, <laughs> ok, d'accord. Chers auditeurs, on est avec MDM euh, Kou en direct ici sur les zones du studio Kalangou. Mais place à présent à la revue de presse présentée par euh, Nafisa Adamou. Bonjour Nafi. Bonjour Salam tout. Bonjour euh, Mariam. Bonjour Nafisa. Bonjour chers auditeurs et auditrices de Studio Kalangou. Visite du travail du président de la République dans la région Tawa, plusieurs infrastructures routières et socio-économiques réalisées, titre le journal Mouria. En effet, Mariam, le président de la République est depuis mercredi 19 juillet en visite de travail dans la région de Tawa. Il a inauguré la nouvelle usine de cimenterie de Badigishri, fruit de la coopération sino-nigérienne. Ce complexe industriel d'une capacité de production à terme d'un million de tonnes par an pour un besoin national de 1 million 200 tonnes crée ainsi 500 emplois directs et plus de 2000 emplois indirects. Dans l'après-midi de la même journée, la route de Dangona, longue de 107 km pour un coût global d'environ 35,6 milliards de francs CFA sur fonds propres de l'État, a été inaugurée. Selon toujours la même source, le président a mis à profit cette visite pour réceptionner le tronçon Tabalaktawa ainsi que le lancement officiel des travaux de la construction de la voie Chintabaraden-Embrachement-Tablak et celle dabalak tabalaka Bazou Mohamed, en poursuivant sa visite, s'est rendu à la base des drones de l'armée de l'air avant de se rendre à la base du 42e BIA de la zone de défense numéro 4 pour ragaillardir les troupes face aux défis sécuritaires auxquels elles sont confrontées de l'énergie, les assises sur la régulation de l'électricité en Afrique de l'Ouest se tiennent à Niamey. Et eh oui, Niamey a accueilli du 19 au 20 juillet les assises du 8e forum régional sur la régulation de l'électricité de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à CDAO. Le forum régional dont le thème est construction des marchés de l'électricité compétitifs, impératif de régulation dans le contexte mondial actuel, a permis d'évaluer la mise en œuvre de la politique politique d'intégration énergétique telle que découle des articles 28 et 55 du traité de la CDAO relativement à la promotion, la coopération, l'intégration, le développement des projets et secteurs des États membres de la communauté. Selon le ministre de l'Énergie, Yacoubou, le Niger a très tôt fait foi et a été pionnier de la politique d'intégration énergétique en adoptant dès l'année 1972 un accord de coopération de la fourniture de l'électricité électrique avec la République sœur du Nigeria. L'état-major des armées nigériennes communique sur l'attaque du vendredi 14 juillet d'un détachement de la gendarmerie sur le tronçon Torodi-Makolondi, région de Tilaberi. Dans ce communiqué, il ressort que dans l'après-midi du 14 juillet, aux environs de 13h40, un détachement de la gendarmerie nationale la mission d'escorte de convoi sur le tronçon torodima kulondi de la région de Tilaberi a été la cible d'une attaque d'hommes armés complexe à la hauteur de Nyaka-Tiré. L'état-major indique qu'après la riposte, le bilan d'un gendarme tué et quatre civils, 19 blessés et quatre camions endommagés. Deux individus armés ont été tués, des motos, des fusils, un poste radio portatif et divers effets des ennemis ont été récupérés. Les forces de défense et de sécurité continuent leur mission de protection des populations et la défense de l'intégrité du territoire national, a conclu le communiqué. C'est la fin de cette revue de presse. Merci Nafisa pour toutes ces informations. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci Nafi. Chers auditeurs, place à présent à notre échange de notre, avec notre invité du jour, la deuxième partie bien sûr. On est avec euh, Soul du groupe MDM euh, Crew. Soul, parle-nous de l'événement Serki Waka. <coughs> voilà, Serki Waka, c'est un événement, c'est un concours, un championnat de musique urbaine. Une façon de révéler au début les jeunes, mais euh, à notre grande surprise, on a trouvé même des artistes confirmés et tout qui ont voulu assister et tenter leur chance. C'est un concours qui, au final, 3 millions en cours pour les jeunes, à produire l'album et lancer vraiment sa carrière musicale et tout. Mais ça a commencé quand C'est quand la finale la finale, c'est le 2. Donc, euh, on, a commencé, on a fait le tour du Niger, euh, genre, tous les euh, toutes les 8, les 8 régions. Voilà. Donc, on a les huit villes qui, qui, qui correspondent à, un concert et un concours sur place pour dénicher le meilleur de, de la ville, après revenir faire euh, la finale ici est trouvée le champion du Niger, donc euh, donc Zender, Agadez, Maradi, Tawa, Zender, Difa, tout ça pour venir à Niamey avoir le champion national 2023 parce que c'est chaque année, on, a décidé de faire ça chaque année pour avoir un artiste qui va représenter le Niger partout sur des festivals ailleurs. Super alors. Souli a des d'un album de revoir. Est-ce que c'est vrai? oui, c'est vrai, parce que <laughs> je me dis qu'il est temps de laisser la place aussi aux, jeunes pour avoir un peu <laughs> le délire et, continuer, peut-être faire mieux que ce qu'on a eu à faire, nous. Mais est-ce que vous avez d'autres activités à part la musique oui, c'est Imperial Music déjà qui organise le championnat. Donc c'est un label et c'est sur ça qu'on a décidé d'arrêter pour produire parce que c'est un label qui va produire beaucoup d'artistes euh, leur, donner une direction artistique parce qu'ils nous ont tellement demandé comment vous avez fait, comment vous faites pour gagner dans ce que vous faites. Parce que nous, avant de venir, on nous a toujours dit que la musique au Niger, ça nourrit pas et tout. Mais moi, j'ai su la preuve concrète que moi, j'ai vécu plus de, aujourd'hui, 15 à 20 ans dans cette musique. Tout ce que je fais, tout ce que je vis, c'est cette musique qui me, grâce à Dieu, qui me donne ça. Donc, du coup, pour moi, ça n'a pas de sens qu'on me dise ça. Et j'aimerais vraiment véhiculer ce message à ces jeunes pour leur montrer que c'est possible de faire de ça un métier et tout. Le nom Bobal, les gars, ça vient d'où <laughs> ben, Ça vient d'un feeling où, voilà, partout où, tu, où je passe, par exemple, à des concerts euh, à, Zender, tout ça là, donc les gens euh, en plein concert, j'entends ouais, quel babon sonner et tout ça là. Alors, mais écoute, je dis bon, dans ce cas, je prends le feeling. Ok. Bah, les gars, s'ils confirment ça. Quel babon sonner. Pourquoi ne pas écouter le nom Bewa en live <laughs> sur les zones des studios Kalongo, on va écouter et vous allez nous faire ça en live, <laughs> en direct. D'accord. Yeah, yeah, yeah, yeah. CMD Post Never Die. Majesty aka Baba Lega, alors mon gars. C'est Studio Kalangu, tu connais. Hein. Sessa, yes. Yeah. Dai babu shakka garin nan ni dai eh. oh, oh, oh, na dace. Yeah. Ai ma wasu sente ce babu shakka ni dan baiwa ne. Yo a nan garin na ji eh, daɗi na. 'Yan uwa sun alfari alfahari ga 'yan ƙasa na yabo. Sai dai eh, 'yan uba ku ji na. anan nan na shalele masoya na dama baban legani ne na ku e malam biyo ni ka sha tarbo yan e uba masu bakin ciki na ce yasa kuke shekaru ɗaya e bayan ɗaya e na ce yasa kuke kunye kunye ku gane ƙasa na ce yasa kuke baba mai sama ya bambaiwa yanzu da 'yan ƙasa na kallo na oh. lalle babu shakka garin na yeah ai ma wasu sun ce dan baiwa ne Sawakan shi. Bai bazi. Lalle babu shakka bu sawaka ni ne babansu. Oh, oh, oh, oh, oh. Yeah. Alors là, c'est mon frère n'est pas là. <laughs> ok, on comprend, il n'y a pas de problème. Un mot à l'égard de tous ceux qui nous écoutent actuellement ben, Déjà, merci à vous. C'est un plaisir d'être ici. Une de chaînes qui fait vraiment beaucoup parce que c'est vrai que c'est la première fois que je suis là, mais j'ai vu ce que vous faites et c'est un grand plaisir aujourd'hui d'être sur ce plateau et dire à tous les jeunes de, de croire en, ce qu'ils font et avec la persévérance, on finit toujours par gagner tout ce qu'on cherche. C'est comme ça. En tout cas, je suis quand même bien pas trop nous manquer quand même. Hein. Ah ouais. <laughs> ok, d'accord. Merci, merci, merci, beaucoup, Soul. Merci, de nous avoir honoré de votre présence. Excellente journée à vous. Allez, merci à vous. Merci beaucoup. Merci.

maza aitande mafarko no fashina muje doso muje gida tilabere mujarile garin difaka masarki kaga mu aya mai kabar zance mu yan wa yan gata mu zo maradi muzo gira. gida ah, lalle ah, ah. babu shaka a garin shaka busa waka ni ne baban su babu shaka kai ne baban su ai ma wasu sun ce babu shaka ni dan baiwa ne babu shaka kai dan baiwa ne ajita inji e eh, bala ajita ae a ah, e eh, bala ajita inji e eh, bala ajita a pala ajida inje baba se baba pala oh, ajida inje pala ajida wasu dukkan ke kai gadan gadan gaza ko ta baba pala ajida ana mewa gaza ko ta baba ana mewa gaza ko ta baba gadan gadan gaza ko ta baba ana mewa Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, le Niger sur Kalangou se poursuit, mais cette fois-ci avec notre rubrique Epto. Dans la rubrique Entrepreneur de ce vendredi, nous allons à la rencontre d'une jeune diplômée en finance à comptabilité qui évolue dans l'agroalimentaire. Oui, Mariam, elle s'appelle Akita Blandine et son entreprise propose des jus naturels pouvant être conservés sur une longue durée sans conservateur. Elle, elle est au micro de Aïssa Hamadou. Moi, c'est Akita Blandine, jeune entrepreneur dans l'agroalimentaire. Euh, j'ai une formation en finance comptabilité et je suis aussi une formation en administration culturelle à la filière art et culture de l'université Moumouni. J'apporte aussi ma pierre à l'édifice en militant pour le bien-être de la femme et de l'enfant dans différentes associations. Depuis quand avez-vous commencé votre entreprise j'ai commencé très très jeune parce que euh, il y a déjà la maman qui était dans le domaine. J'ai appris avec elle et j'ai commencé très jeune. Mais pour la formalisation de mon entreprise, c'était en 2021. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette activité euh, oui, beaucoup de facteurs m'ont poussé à entreprendre, j'avais d'abord l'amour, tout ce qui touchait à des activités manuelles, j'avais cet amour de, créer quelque chose à moi, de fabriquer, de d'avoir quelque chose propre à moi. Donc, il y avait aussi la maman qui, comme je l'ai dit, qui était dans l'agro-business. C'était un peu traditionnel. Et il y a aussi le fait que j'avais fini l'école, j'avais mes diplômes, j'avais une forte envie de, travailler, mais ça ne venait pas en fait. J'ai cherché, j'ai déposé mes dossiers de gauche à droite, ça ne venait pas. Donc du coup, euh, il y avait ma tante qui avait suivi elle aussi une formation au Burkina sur la transformation agroalimentaire et la conservation des aliments. Donc je me suis approchée d'elle et je lui ai dit de m'apprendre un peu. Qu'est-ce que votre entreprise propose oui, notre entreprise propose des jus faits à base de fruits et de légumes pouvant être conservés de 6 à 1 an sans conservateur. Nous proposons aussi du yaourt, du dégué frais mélangé à du yaourt et du dégué sec aussi. Et aussi, tout récemment, nous sommes en train d'envisager de faire des formations pour les jeunes femmes parce que c'est les vacances. Donc, au lieu de rester à la maison, ce serait bien que les jeunes puissent apprendre en plus de ce qu'ils sont en train d'apprendre à l'école. Quels sont les avantages que vous avez eus dans votre entreprise les avantages que nous avons eus euh, dans l'entreprise, je dirais que ces avantages sont euh, d'abord la résilience. Ensuite, on a vraiment appris à travailler en équipe. On a eu assez à lier beaucoup d'amitié avec beaucoup de gens, des merveilleux gens. Il y a certains clients qui sont devenus des sœurs, une famille, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment précieux à nos yeux. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre entreprise oui, les difficultés, ça ne manque pas. Et ces difficultés sont d'ordre matériel et financier. Matériel, parce que nous n'avons pas tous les matériaux nécessaires pour pouvoir produire en grande quantité. Quel appel avez-vous à faire à vos amis jeunes oui, si j'ai un appel à lancer à me faire, de sœurs, c'est de ne jamais abandonner un rêve auquel on tient. Et pour arriver à la réalisation de ces rêves-là, il faut vraiment travailler, travailler. Rien n'est assez facile et rien n'est assez difficile. Par la grâce de Dieu et nos efforts, on peut y arriver. Il faut jamais abandonner. Et au lieu de, se baser sur les diplômes et tout. C'est vrai, tu as bossé du, on nous a dit travail, travail, si vous avez des diplômes, le travail, euh, c'est chef, vous allez avoir le travail. Mais on a vu que vraiment avec le monde actuel, c'est pas, c'est pas ça. Donc vraiment, aucun métier n'est petit. Voilà, chers auditeurs, c'était là la rubrique hebdo. Faisons un autre tour musical avec le son Erkas, Erkas de Obaza. كان صغت تيلا غسان قلت الله ما خلق اخلك قلان ارنا كوالك هو ديولان ولا الجين نصراد نصان جسين قلو زند شنانا هاي قاسم دسي حد توفان تلو دون مقر ديلان دام تبتلا تيلي سمدان ويمك كان انا تكويان بس اصلا بفو سيري يولا سيريونا البنكين قاوصلو ينغان ترون تكدي تليلان تهور الترا يلا يسان تسينا سنة كيل سكين فان ما تكنا ورتون كيرا ما تكنا ورتون شي ترى السقس انا ماني ترى ماني انت ما جاك مجال لك تقرا شي ترى تغرات تغرب تكتبت فينا تقت النية تاتي تنفان دور نلتفي جكرة جمدان أرادا وادي دي ينفان غير غاسي سلمان سيمي كركرا للشي شام بعد زاني بتحوزن كي يقلا مجي دي مقردا كي ينغان تني لسدونا انك فران يباجي غصفنا كدي يقلان أقينا مكان الكزولان في غاسي يسسن شمتار مالك أنا Au bas Obas, de son vrai nom Malik Intirouak, à la trentaine, cet artiste d'origine de la ville d'Agadez est un métissage du style traduit moderne du test au rythme. Des poésies anciennes Touareg sous le rythme du tandé, des phases, des phases rap et trap pour faire revivre la coutume à travers la musique. Un séjour triomphe, une étoile prête à s'élever et à remplir le cœur du monde de joie par sa voix, son style, les qualités et ses performances avec le peu de moyens en sa possession. Au bases l'homme de la tradition, l'homme de la société, un artiste à votre service. Sali, ces jeunes, ils kiffent la danse traditionnelle touareg, légendaire qui fait toujours effet aux yeux de tous. Ces chansons nous parlent de l'avantage de la bonne éducation, de l'amour, de l'amitié, l'utilité des moments partagés en famille, les brassages et l'inclusion sociale pour le renforcement de la cohésion communautaire. Une joie partagée est égale à une paix renforcée. Voilà, chers auditeurs, c'était la haut base en espérant que vous avez bien kiffé. Sali à présent, direction Agadez pour l'écho de région. Agadez, la noix de palmier d'homme appelée Tokodara en Hausa est un produit beaucoup sollicité par les voyageurs pour l'œil virtuel. Notre correspondant Moussa Maman s'est intéressé à la vente de cet amuse-gueule. Voici son reportage.

kuma mu gyara kuma mu saida yau shekara ta arba'in da biyu ina aikin sana'a ga ni ce yabe ni ce dosu ba inda ba zuwa kuma duk in suka zo mutane na safan na abu sai na je na kasa ta bisa tabar wanda ka ta da zabarmawa da arawa da gobura kai duk mutane la sai suke masu tsayya mu dai mun da yadda kata sai mu sa mayafi mu zazzage mu zazzage mu fidda mata sallah sai mu kulla baka ganta bisa tabar ba ji wanda Allah ya ka saya sai ya saya ina sai da ta kulli jikka ina sai da kulli da ga kullin dari dari ana samun riba beaucoup de voyageurs paient sous forme de victuailles qu'ils offrent à leurs familles et proches. Maman est acheteur. Bulaguro ne za ma mota tana jira na la'an ta da mota. Yanzu ya mai ne za tai. Shi yasa na zo sayan wannan takodare. sabida muna buƙatar shi sosai kusan kullum muka zo agadas shi muke sai ya zamanto mu kama al'ada ko kuma wani zigege in za mu kai gida shi muke zawa mu saya kuma muka zo muna kaiwa can gida mu kaya iyalai kuma sosai suna buƙatar su ma a kai musu ana son sosai yara suna so daga ka kai musu suna buƙatar shi sosai kuma muna sayan na jika biyar ko abin da ya sama da haka ma domin mu kaiwa yara wannan tako kuma kullum in zo agadas wannan ya zamanto mini kama al'ada wani zigege ne in na zo agadas shi nake sai in kaiwa En dehors de sa vertu thérapeutique, dit-on, dans la médecine traditionnelle, la noix de palmier doum ou tagodare constitue aussi un antioxydant. Allô Moussa, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. À toi, Et la disponibilité par rapport aux années antérieures de Tokodara? c'est hein. Oui. La disponibilité. Oui, par rapport aux années antérieures. Est-ce que maintenant... La elle est toujours disponible. Hein. Ah bon Ah oui, quand tu auras besoin de ça, là, on va t'envoyer, comme c'est Guégui. Ah, ok. Et maintenant, est-ce qu'on exporte ta Takodara pour d'autres pays Si. C'est-à-dire, tu, vous, vous pouvez nous expliquer un peu elle est, exportée, en tout cas d'abord dans les régions. D'ici, elle est exportée dans Niamey, Maradi, Zender et autres, presque partout dans le Niger. Et en dehors de ça aussi, euh, à Abidjan, la sous-région, euh, Benin, tout ça, ils commandent ça. Et on, on exporte ça. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Moussa Maman. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et j'ai on fait aussi un coucou à tous nos auditeurs qui nous écoutent de l'autre côté de l'air. À présent, place au sport avec Adam Sariou, notre chroniqueur du jour. Alors, bonjour Salamatu. Bonjour Adam. Nous ouvrons cette page de sport avec la déclaration des basketteurs et dirigeants du basketball nigérien. Oui, Sali, ils sont ils se sont réunis au palais du 29 juillet de Niamey pour dénoncer la situation actuelle du basketball nigérien. Je propose d'ailleurs d'écouter cette déclaration rendue par Lawali Abarchi, joueur de JBS, jeune basketteur du Sahel. À travers cette déclaration, nous voudrions interpeller les plus hautes autorités sur la situation euh, actuelle du basketball nigérien, qui réside depuis plus d'une décennie au plus bas de son niveau. En effet, le basketball est laissé à son sort. Plus de championnat national, plus de coupe nationale, coupe du président, plus de formation d'arbitres, encore moins les formations d'entraîneurs. Ce qui a entraîné une chute libre de cette discipline qui ne survit pratiquement qu'à Niamey à cause de quelques petits championnats d'animation organisés par de bonnes volontés. Et le basketball féminin, lui, il est en voie de disparition. Il n'y a que Niamey qui compte que deux clubs, eux-mêmes en sous-effectif. Et nous profitons pour rappeler que la dernière équipe nationale date de 2005. Aujourd'hui, tous nos talents sont exploités par d'autres pays. Or, ils ont un niveau qui peut, avec fierté, défendre les couleurs de notre patrie. C'est dans cette période d'agonie que nous avons reçu avec amertume un rapport de la FENI Basket que d'ailleurs nous rejetons en bloc nous avons ainsi observé une mise en place des règles régionales malgré une note du ministère qui stipule l'arrêt de toute activité entrant dans ce cadre. À ce niveau, nous interpellons le ministère des Sports de prendre des dispositions dans les brefs délais. Adam, après le basketball, parlons à présent de foot. Les Oumenta AC, premier des championnats de première division, retrouve l'élite de la Super League huit ans après sa dernière saison en 2015. Eh bien oui, Mariam, il a battu l'Espoir FC de Zander en match de barrage sur le score de 3 buts à 1. Espoir FC de Zander, qui a terminé 12e du championnat, rejoint alors le JST de Tawa, et Jean Gorzo Football Club de Mariati, déjà, déjà relégué. Pour rappel, l'Espoir FC n'avait pas connu de descente en Super League depuis sa montée en 2016. Coupe du monde féminine se poursuit avec l'entrée en jeu du Nigeria. Oui, Salamatou, le Nigeria a fait un match nul, 0 but partout face au Canada. Demain, la Zambie fera son entrée en jeu en face, en face, au Japon. C'est la fin de cette chronique. Je vous, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Merci Adam pour toutes ces infos sportives. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Place à présent à notre portrait du jour. Et oui, le portrait d'aujourd'hui nous amène à la rencontre de Fatih Munkaila, une personne handicapée locomoteur. Elle est aussi la présidente du groupement Suruga dans dans le 5 arrondissement de la ville de Niamey. Fatih a eu à former plus de 40 femmes dans la fabrication de l'encens. Nous sommes au marché du rond-point Harobanda. C'est ici que se trouve la boutique du groupement Sourg Kanu, un groupement composé d'une dizaine de femmes, toutes souffrant d'handicaps divers. Elles s'attellent à la confection d'habits pour enfants et autres produits ménagers. Fatima Nkela est la présidente de ce groupement. Pour elle, le handicap n'est pas un frein à l'autonomisation zam ye gande se irkoy ni lebandi nim ne to ni woni andu ni ba funa kulban hay kun woni si ngite na andu ni ba funa ra kadai nim kan bisal war fosi to na andu ni ba funa sar zanodi lebu asubor ganja hay kul Cependant, la non-maîtrise de la fabrication d'encens reste un véritable défi pour certaines de ces femmes. zam wadin na suwani irga dibuwar igo ga te dainu kalim ko ga dai habaira irma ka irma girbin kirma da si irmu ne yirga neri amma di bumbo ni bumbo no guwa ni bonse ya dinga ni gihin ga te ni bonse ni him ga baran di jinai kulkan dumo yi gadan dugora durarai no e, amandiniya harunna yan iga ba dai turarai dumai ga ba kan warai ga gisi kan to ba dumi taci waligu dugu biwo iga dan nan kan shaitanin ba a guru cece ganin gan mana su da hari kan bota gai din fuwai bota gai hawai butun nan gokun den na dubu biyo din sambun dan dan jora kaina danga dai ni man bai ma har hau da bora hai ya cin danga an tugai igi hingu duk biyo dina te ya ni ga nasi ban kare kan ga kwaciya ga har munu ga hayo din dani nyuma akka gigi sino sai zubo am duk biyo din dan

irgi ce ci goyo de ir mana goyo de ra kan ganan mu su ba mu yi banda ir calai mo kayan watu kulu irgi ci sai kan goyi ga bonna fa amma kan bisalli ya su bonna fa C'était un portrait réalisé par Farid Bourema, rendu au studio par Fanta Shamsou. Dernier tour musical avec le groupe d'orchestre Kennedy Star. de l'orchestre Kennedy Star dédié à tous les Kourfawa, Mariam place maintenant aux femmes du studio Kalangou pour le loti du jour qui nous parle de fake news. Les fake news sont des fausses informations véhiculées parfois pour porter atteinte à l'honneur et à l'intégrité des victimes. Ils peuvent avoir plusieurs conséquences sur le plan juridique et moral. C'est pourquoi aujourd'hui de la rubrique euh, Loti, les femmes du studio Kalangu appellent à plus de prudence dans le partage des nouvelles véhiculées à travers les réseaux sociaux. Rakiya Arimi e Fanta Shamsu. Matsokiji, matsokiji, matsokiji, matsokiji, matsokiji. Hey! Matsokiji! Rahina, ke Rahina. Bismillah. Me ke kwala mini kira haka har gabana ya haɗu. Me faru da ke? Ke dai yanzu duba wannan wayar. Me ya ki ga abin da aka yi min cikin wani group WhatsApp. Wacewa shugaban jam'iyyar PFK Fitila yana na raba kuɗi cikin kowane ƙauye domin a jefa mishi ƙuri'a. Gaskiya ce ku abin da kike faɗi. Waye aika miki wannan wasiƙa? ke dakata malama ba sanin wanda ya aiko min bane muhimmanci anan kin ga mu 'yan adawa ne bar mu yada wannan yashe kunnen kowa. Hattara malama, wannan labari bai da tushe, a yi bincike tukwana. Tana yiwa sharri ne. Don karya ce don me za a yada shi? Don ɓata mishi suna. Wallahi ina jan hankalinki, yaɗe-yaɗen labaru da basu da tushe yana da babban hatsari. Gaban nan akwai sandar duka ga duk wanda ya yi ma mutum cin mutunci, ƙorafi da duk wasu laifuka ta hanyar yanar gizo. Duka kuma? Kin san da akwai wata doka ma da aka tsaida a kasar Nijar don dakile laifuffukan yanar gizo dokar 2019-33 na uku ga watan Juli na shekarar 2019. Kenan wannan yana nuna ire-iren wa'annan laifuffukan hukuncinsu yana da tsanani har ya kai a amshe kayan aikinka ma'ana na'urorinka da kake amfani da su hana ka aika duk wata wasiƙa akan yanar gizo kuma ana iya ƙulle ka da kuma cin katara. Gora duk wannan abin da kike hoɗi bai wuce gona da iri ba kuwa ni kawai in na samu masu ɗimi-ɗimin ne in karanta kuma in aika. Hei hajiya, ki hattara wata rana za ki ƙone kanki. Ta hanyar yada wannan bayani a kan shugaban jam'iyyar fitila idan har ba a tabbatar da shi ba kin zubar da mutuncin wannan mutunan ne da kuma bata masa suna wannan kuma bai kamata ba. Hakka ne abin yake gora. Wannan al'amarin yana da nauyi wallahi. amma idan haka ne gaskiya ina matukar jinjina miki bisa faɗakar da ni da kika yi a yau ba komi muna tare kin ma katse ni ai ban kare faɗakar da ke ba akan laifuffukan yanar gizo to ina jin ki gora kin shigo Idan kuka aikata laifi ta hanyar sadarwa ta yanar gizo, juju na iya yanke hukunci kuma ya bada umarni, yanke shawara akan wannan matsakaicin tsakanin kwanaki goma sha biyar. Idan baka yi haka ba, za a yanke maka hukuncin ɗaurin gidan yarin shekaru uku zuwa shekaru shida, da tarar da ta kama miliyon ɗaya zuwa miliyon goma. yanzu kam amfani da yanar gizo akwai hatsari kice. Kwarai kuwa. Kana iya kuntatawa mutum ba tare da ka sani ba. To masu yin shi da gangamwa sun shiga uku kenan. Ke, ni na ma daina amfani da wata whatsapp daga yau kuma zan cire shi daga wayata kin ga ba sai na yi kokarin aika wani abu ba. <laughs> ke tsaya malama ba a kai nan ba kar ki cire kanki daga cikin duniya mana ki bar aika kawai abubuwan da basu dace ba aka ce ai kar ki damu yanzu zan yi hattara sosai <laughs> madalla hakan ya fi to yanzu kuma zo ki ga wani bidiyo ni don allah ruwa mini asiri <laughs> ka ashe wani labarin ne da bai da tushe A'a bidiyon cikon shekara ta ne. <laughs> sani ne ni. a <laughs> to, kin tsorata ma. C'était là le lot du Desk femmes du studio Kalangu. Merci les filles. Alamine Wacha est avec nous pour la culture linguistique. Le mot du jour est Obaz. Alamine, bonjour. Bonjour Salamatou, bonjour euh, Mariam. Nous allons euh, vous parler de nos langues, principalement les mots Obaz en tamashek. Mais avant, il faut retenir que la langue permet la diffusion des connaissances dans le cadre de l'éducation formelle mais aussi en dehors des institutions éducatives sous des formes vulgarisées. La langue ne s'hérite pas biologiquement, mais se transmet par apprentissage de génération en génération. Et ce sont les mécanismes de transmission sociale qui expliquent alors son évolution. Oui, toutes les langues évoluent dans l'espace et le temps. C'est dans ce cadre que nous allons vous expliquer les mots Obaz en tamashek. Obaz est un mot courant dans le jargon touareg. C'est un mot qu'on utilise pour nommer une personne dont on ne connaît pas son prénom ou tout simplement un cousin, un ami, un copain. Ce qu'il faut retenir du mot Obaz reste un jargon entre amis des mêmes générations chez les Touaregs. المعنى نوبز وسنتزل هذا الزوازة نشو اللي مو صارت أساس دي أرض ولينزا تقريم أس إيلس يمو صارت ويتا وسط عمال في الجنة ويقال إن زيز جرن سلا في الجنة ويقال إن الصغري قرزة ويكتبون ولا ورن كتاب دفرا وين أرض وزا تقري ماس أول ورقة غرت أردي تاقة زويدا استارت مروان إيجي سار تيموس يتيبو سوسو نويدن إيجلان دغي في كولي هروادا إلي نموت وستو سوسو نويدن أول وين إلا دغي نموت وسيتاتو أول إدمارن أسنكال فلقنا ويقرنا أولننا وموسنارة تيتيني استريت نمدال مدى غلوة دغا ديا ويند في الدون دون وي تفرت نو بازي زي موسنارة دانادي سيجلار دغم سدرغان استديو كلانغو دغ أه سلان وين ساغلين تي وين سادرغان دا ديك ميداستو ملا المعنى نوباز دغ تماجق وباز ايغلا فلسفة فلس تماجق تنقرز تن تاوا غرولينت دغ دي دغ زلين تموجا وباز السوكا ابو بازين مدير السوك ميديني مدير السوكا مصناتي مدير ويدن

Un dernier tour en musique avec le son Mouchel Lacol de Hadiza Mango. du studio Kalangu, nous avons avec nous Nefissa Adamou pour les titres du journal de ce soir. Et bonjour Nefissa. Bonjour Mariam. Alors, dans nos éditions du soir, le directeur de l'agriculture de Dosso s'exprime sur la campagne agricole qui, selon lui, est actuellement satisfaisante dans la région. Ensuite, il sera question d'une rencontre transfrontalière qui a eu lieu cette semaine à Difa pour une meilleure gestion des conflits liés aux ressources naturelles. Le magazine parle du mariage de la jeune fille chez les Peuls et à partir de 18h15, Mokhtar Hamadou et ses invités décryptent l'actualité de la semaine qui s'achève. Rendez-vous à 17h. Merci beaucoup, Nafissa chers auditeurs, nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Salamatou Kadri et de Mariam Ade. Le rendez-vous est pris pour le lundi. la technique est assurée par Seini Isaka, Fanta Chamsou à l'édition. Excellente journée à vous et bon début de week-end.